en tant que gérant aéroport jas dañu bokk ci benn kuréel bu mag kuréel bu mag bi ñu bokk mu ngi tudd ACI donc kuréel boobu boo ko xaymaa am nañ si lu tolloog junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk aéroport ci monde activité la yoo xam ne dañ koy def chaque année ren. ñu ne thème la dañuy nan la ñuy def pour que ñëpp di liggéey ensemble pour kaaraange suñu aéroport lundi la ñu commencé. dañ doon dox di ramasser li ñuy wax ay ay débris lu ñuy wax FOD donc ñu def marche boobu ramasser ko di ko ramasser yi ñuy jot a gis ba pare continuer dem si. si service yi nga xamné ñu ngi ci aéroport bi nga sensibiliser sur aspect kaaraange yu nek aéroport dafa nek ci environnement donc environnement bobu dafa am ay nit ñu au-delà li la wax ay procédures rek matériel ak machines mais nit ñi ñoy fondement aéroport. Aujourd'hui, nous clôturons la Safety Week, la semaine de la sécurité et donc euh, le but est euh, de euh, répondre tout d'abord à un programme international puisque l'aéroport fait partie d'une association internationale qui s'appelle ACI Afrique ou donc Airport Council International, l'association des aéroports internationaux. Et nous, déployons avec cette association un programme d'amélioration de la sécurité. La politique d'ACI, c'est de motiver tous les aéroports. Aucun aéroport n'est laissé de côté. Et donc l'aéroport de Dagar, Blesdiagne, montre l'exemple en s'investissant et en sensibilisant les gens à la sécurité. Il y a plusieurs buts à cela. Tout d'abord, instaurer une démarche proactive au sein de tous les employés qui travaillent sur l'aéroport, donc pas seulement l'AS, mais aussi tous les gens, quel que soit leur métier. La sécurité est un élément important et primordial dans le monde aéronautique, vous le savez. Sensibiliser davantage les employés, car des gens quelquefois peuvent céder à la routine. Il est important de sensibiliser, de, de, de rappeler aux gens les règles de sécurité, mais de les impliquer. Donc c'est pour ça que nous avons organisé lundi une euh, safety walk, une marche sécurité, et donc tout le monde s'est déplacé ensemble pour voir quels étaient les sujets sécurité qui pouvaient être améliorés. L'idée est aussi de renforcer la cohésion, car comme c'était quelque chose qui est partagé et nous travaillons tous ensemble sur la sécurité, il est important pour nous de partager cela avec toutes les entreprises et à tous les niveaux de chaque entreprise du directeur général jusqu'au dernier empoché. Nous clôturons aujourd'hui cette semaine euh, avec succès car nous avons aussi euh, profité pour décerner des prix à des gens qui se sont particulièrement investis dans le domaine de la sécurité. Nous avons célébré à la fois la société 2AS qui fait l'assistance au sol, les équipes de SMKD qui est la société qui met à bord le carburant, qui met des aéronefs le carburant, et bien sûr euh, le gestionnaire d'aéroport LAS avec du professionnalisme qui a été souligné les communes avoisinantes ont aussi un rôle à jouer car euh, l'aéroport est dans un contexte, dans un environnement euh, assez élargi. Et ce qui se passe dans les communes environnantes ou tout au moins euh, dans les trajectoires des avions est important pour la sécurité des vols. Tout d'abord, le risque zéro n'existe pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous mettons tout en œuvre pour que la sécurité soit à son plus haut niveau. Pour nous, c'est très important. Si tous les acteurs sont bien sensibilisés, bien motivés et sont prêts à réagir en cas euh, d'atteinte à la sécurité, c'est pour nous le plus important. Et je peux vous garantir qu'à l'aéroport dakar nous avons atteint et nous allons encore travailler à améliorer le niveau de sécurité, euh, l'excellent niveau de sécurité que nous avons aujourd'hui. La preuve en est, c'est la présence aujourd'hui de toutes ces personnes qui, sont mobilisées et qui vont ensuite, à la sortie de cette réunion, euh, diffuser la bonne parole au sein de leurs équipes avec leurs collaborateurs ou avec leurs collègues de travail.